Vous êtes sur le miroir euh, de la femme, monsieur Daman, Bonsoir et bienvenue à cette euh, grande euh, édition d'information que j'ai l'immense joie de vous présenter. Cela dit, le candidat du PNDS, Taraya, Bazoum Mohamed, poursuit sa présentation de son programme de campagne intitulé Consolider et avancer. Cette fois-ci, Bazoum Mohamed était face à la jeunesse au centre de conférence Mahatma Gandhi. Haïs Adamou, Abdelmouni Abraman. Cette rencontre de la jeunesse, des hommes de la culture, des arts et des sports avec le président et candidat du PNDS Bazou Mohamed s'inscrit dans le cadre de découvrir sa vision dans son programme de campagne consolidé et avancé. Face aux questions sociales et culturelles, le candidat du PNDS Tareya propose aux Nigériens un programme ambitieux notamment sur la scolarisation l'alphabétisation et la croissance démographique. Avec le statut de la femme, si la femme nigérienne est celle qui a un taux euh, de fécondité, synthétique le plus élevé, c'est la preuve qu'elle a accès aussi à moins d'éducation et d'instruction que les autres femmes, puisqu'il s'agit de comparaison à travers les ratios qui sont donnés. aussi par conséquent dans des conditions qui sont plus difficiles que les femmes avec lesquelles justement on fait ce genre de comparaison à travers les ratios synthétiques qui sont donnés, quelle que soit la matière de toute façon. Vous voyez donc le problème de la jeunesse est lié au problème du statut de la femme. Ce sont deux problématiques qui ne sont pas séparables l'une de l'autre. Ça, c'est le cœur de nos défis, le cœur des défis d'un État, quel qu'il soit, et d'un État dont euh, justement euh, la configuration sociologique est euh, propre à notre pays, à nous aujourd'hui après la présentation du programme de campagne par le candidat du PNDS Baz Mohamed, les artistes et les jeunes ont saisi l'occasion pour soulever plusieurs préoccupations auxquelles il a donné des perspectives. Quand nous disons que nous ne mettons pas beaucoup de ressources dans la culture, le cinéma est là, justement, pour être la preuve par dix que nous ne mettons pas de ressources dans la culture, parce que nous n'en mettons pas du tout euh, pratiquement, du moins dans le cinéma. Si même il y a des actions, elles sont euh, très occasionnelles, euh, mais elles ne sont pas véritablement instituées. Donc je suis d'accord avec vous que il, faut revaloriser le cinéma, il faut revaloriser les acteurs du cinéma, il faut promouvoir le cinéma et à l'occasion, comme pour toutes les activités artistiques, euh, ainsi qu'en a fait la suggestion Aïchatou, euh, il faut, je suis d'accord avec vous, en tout cas vous, vous êtes professionnel, et si vous le dites, euh, vous le dites en connaissance de cause, il faut développer le mécénat. Il faut, je suis d'accord, c'est une idée aussi que je m'approprie. Voilà pourquoi, justement, il était bon que nous ayons cette rencontre. Et voilà aussi pourquoi il est bon que nous ayons des occasions d'échange ainsi que vous en avez fait la suggestion. Il n'est pas superflu de rappeler que les Nigériens de moins de 25 ans constituent 75% de la population. Or, la jeunesse nigérienne est confrontée à une crise multidimensionnelle. Que pense le président des jeunes face au programme de campagne du candidat du PNDS Tareya Moi, je pense que c'est d'abord une très bonne initiative d'avoir créé le, le cadre avec les organisations de jeunesse nigérienne pour d'abord s'enquérir de tous les points inscrits dans ce programme, mais aussi permettre à la jeunesse de faire part aux candidats Bazou de leurs préoccupations. Euh, vous le savez, la jeunesse représente plus de 80% de la population nigérienne. C'est un vrai atout qu'il faut exploiter. Donc comment en tant que candidat, euh, il peut s'engager à prendre en compte les préoccupations de la jeunesse que vous connaissez, notamment les questions d'emploi, parce que c'est le mot le plus brillant actuellement qui mine la jeunesse nigérienne. Si la question de, chômage est réglée, je pense que à moitié, cette bombe que la jeunesse représente va être désamorcée et être transformée en bombe de production, en bombe de développement. C'est ce que nous voulons. À travers les trois rencontres qu'il a organisées avec la population nigérienne dans le cadre de la présentation de son programme, Bazoum Mohamed annonce qu'il accentuera la lutte contre la corruption et travaillera à améliorer la gouvernance tout en accordant une attention particulière aux jeunes et à l'éducation. Comme vous le savez déjà, les élections municipales et régionales ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national hier 13 décembre 2020 comme prévu dans le chronogramme de la CENI. Constance Nobgadra Abdelmouni Abraman. C'est pour changer les conseillers municipaux et régionaux mis en place depuis plusieurs années que ce vote a eu lieu hier 13 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Le vote est un devoir pour tout citoyen et aussi une marque de citoyenneté. En bon citoyen, le président de la République, chef de l'État, s'est acquitté de ses devoirs au niveau du bureau de vote numéro 00, 6 à l'hôtel de ville de Miami. Comme euh, vous le savez, la CENI a l'organisation des élections locales, municipales et régionales. Ce jour 13 euh, décembre 2020. C'était un pari difficile à tenir. Mais la CENI a tenu ce pari. Je voudrais l'en féliciter. Ces élections constituent une répétition dans la perspective euh, d'un scrutin législatif et présidentiel du 27 euh, décembre prochain. Je demande euh, à tous les électeurs de sortir massivement accomplir leur devoir dans le calme. Je salue et je félicite euh, tous les partis politiques qui ont mené une euh, campagne euh, électorale apaisée. Et je leur demande de maintenir cette bonne conduite tout au long de la campagne des élections législatives et présidentielles. C'est aussi l'occasion de lancer un appel à la CENI et à toutes les institutions chargées des élections pour qu'elles assurent. que ce vote s'est dans de bonnes conditions le chef de l'État n'a pas manqué de profiter de l'occasion pour lancer un appel à la CENI et à toutes les institutions chargées des élections pour qu'elles assurent la transparence et la sincérité de tous les scrutins. Tony, hier à euh, Niamey et dans toutes les régions du pays, des élections municipales comme euh, prévu par le chronogramme de la CENI à la date du 13 euh, décembre 2020. Mais dans quelles conditions Élément de réponse dans cet élément signé à après le coup d'envoi donné par le président de la République Issoufou Mahamadou à Niamey au bureau de vote numéro 00, les populations nigériennes ont pris d'assaut les différents bureaux de vote à travers le pays pour accomplir leurs devoirs civiques dans le cadre des élections municipales. Sur quoi que cependant, leur relève plusieurs irrégularités dans l'organisation de ce scrutin. Ce que j'ai constaté, je ne suis pas rentré d'abord. Mais il y a une certaine lenteur à l'intérieur, ce que j'ai pu remarquer. Donc il faut que vraiment il y ait une organisation plus nette pour que ça, progresse. Parce que moi j'étais arrivé vers 9h euh, et quelques. Vraiment on a attendu. Moi j'ai attendu à peu près 30-40 minutes avant que ça, ça ne soit ouvert. J'ai dit, quand je rentre, il faut que je les demande d'abord qu'est-ce qui fait cette lenteur c'est le droit le plus absolu. Parce que moi, je connais mon droit. Donc, c'est le droit le plus absolu de demander qu'est-ce qui fait cette lanterne. Il faut que vous fouettez par-ci, par-là, par-ci, par-là pour voir les, noms des gens. C'est pas normal. Je suis venu pour accomplir euh, mon devoir de citoyenneté. Euh, depuis que j'étais venu, euh, je me suis dit, bon, comme les pratiques, peut-être il faut nous pour que les bureaux de vote soient ouverts. Donc euh, je suis parti à la maison, encore je suis revenu vers les 10h50. Je suis revenu encore jusqu'à présent. Nous ne voyons même pas les matériels. Et en plus forte raison, les agents de la CENI et pour pouvoir débuter le processus euh, de vote. Mais moi, je me suis dit, peut-être euh, les bureaux de vote 120 et 121 sont escalés du processus électoral. Et si tel est le cas, un message euh, régional doit être communiqué en amont pour nous en tant que citoyens et électeurs. Et en tout cas, nous avons demandé les représentants, de l'État, qui sont les FDS, euh, pour savoir vraiment est-ce que le processus euh, va se tenir ici. Ils nous ont dit eux ils n'ont aucune information, mais en tout cas, ils sont là pour garantir la sécurité de la population. Donc, euh, euh, nous, n'avons pas eu d'informations relativement euh, à quoi que ce soit par rapport à ces élections. Mais tout ce que nous constatons, jusqu'à preuve du contraire, aucun agent de la CENI n'est présent et aucun matériel pour le processus électoral dans cette Comme le pensent certains observateurs, pour cette première expérience de scrutin numérisé en Niger, la CENI n'a pas droit à l'erreur. Les citoyens s'attendent en effet à des résultats crédibles qui seront acceptés de tous. Les élections ont eu lieu hier euh, dimanche 13 décembre dans toutes les régions du pays. Qu'en pensent les citoyens par rapport à ce vote Suivons leur réaction. Nous allons d'abord rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui a permis à ce que ces élections locales, régionales, des villes se sont passées dans de très bonnes conditions dans une sérénité totale parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2004, ça fait pratiquement 16 ans, il n'y a pas eu d'élection locale et régionale au Niger. Il a fallu cette année, en 2020, pour que cela puisse avoir lieu. Alors nous ne pouvons dire que vraiment, un euh, grand merci d'abord aux autorités mais également la Commission électorale nationale indépendante qui est parvenue à relever ce grand défi. Donc euh, pour moi, dans l'ensemble, euh, et selon les échos euh, qui nous parviennent, se sont très bien déroulés et que, bon, à part quelques couacs à Maradi et à Tawa, en tout cas, dans l'ensemble, vraiment, les choses se sont très bien passées. C'est une satisfaction pour nous parce que euh, dans un premier temps, on n'a pas cru que ces élections-là vont se dérouler dans la calmie, vu l'atmosphère politique, vu euh, ce qui a émaillé euh, les, processus, les électoraux. Mais quand même, quand les gens ils ont passé pour voter, pour se rendre aux urnes, pour choisir leurs conseillers euh, qui vont les représenter dans les mairies les communes et même au niveau régional, quand même cela nous prouve que euh, la démocratie nigérienne est vraiment euh, assez majeure. Elle a été bien entretenue par des hommes euh, nous lançons un appel aussi à l'ensemble de la population de persévérer, de continuer dans ce sens pour les élections à venir, les élections présidentielles et législatives. Nous avons constaté qu'il y a eu de la calmie, de la stabilité et nous profitons à saluer la maturité d'esprit qui a caractérisé tous les partis politiques et ainsi que euh, les concitoyens. Parce qu'en réalité, et si on arrive à faire des élections dans la calmie, dans la transparence et qu'il n'y a eu aucun mouvement, ce que vraiment c'était quelque chose du bien qu'il faut saluer. Nous continuons à encourager la population du Niger ainsi que les partis politiques de conserver ce que nous avons, de conserver ce patrimoine commun. Ce patrimoine commun, c'est le Niger. Nous n'avons rien que le Niger. Parlons à présent éducation dans cette euh, édition après un mot d'ordre de grève lancé le 3 décembre dernier par le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur ISNEX, e e bureau de Niamey. Le gouvernement signe enfin un protocole d'accord avec le syndicat. Ramat Oumarou, Abdelmouni Abdraman nous en disent davantage. Le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur section Niamey a levé son mot d'ordre illimité après une dizaine de jours. Le gouvernement signe enfin un protocole d'accord avec le dit syndicat mettant à la grève illimitée entamée. L'université Abdoulmouni, représentée par le recteur par intérim et le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX, section de Niamey, en présence d'une part du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et d'autre part, le secrétaire général du BENSLEX ont convenu de ce qui suit. Du paiement de la prime de recherche du 4e 2020, des frais médicaux et des autres droits statutaires. Le rectorat s'engage à les payer au plus, tard fin de la semaine prochaine. Deux, De la grève. Au regard de ce qui précède, la section ISEX de l'année s'engage à suspendre ce modèle de grève de signature du présent protocole d'accord. Toutefois, la section C de Niamey se réserve le droit de reconduire la grève en cas de non-respect par le rectorat de ses engagements. La signature de ce protocole d'accord met fin alors à cette grève illimitée entamée par les SNEX Niamey. Des efforts considérables ont été fournis par le gouvernement ces derniers jours pour remplir ses engagements vis à -vis de ses partenaires sociaux de l'enseignement supérieur. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui amener une preuve concrète. En effet, les enseignants-chercheurs de l'Université de Niamey reprendront le chemin des amphithéâtres dès la semaine prochaine, après dix jours de grève, Inch'Allah. C'est ainsi le lieu de remercier son Excellence Issoufou Mohamed, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Birji Rafini, premier ministre chef de gouvernement, pour leur implication personnelle dans la résolution des revendications des SELEX et des étudiants. Notons que des efforts considérables ont été fournis par le gouvernement vis-à-vis de ses partenaires sociaux de l'enseignement supérieur pour venir au bout de ces problèmes qui n'ont que trop duré. Le gouvernement du Niger a décidé de procéder à partir du 17 décembre prochain à la fermeture des écoles dans le cadre de la prévention contre la COVID-19. Quelles conséquences sur l'éducation nigérienne Aïchatou Aboubakar et Raouf Dayabou, précision. Décision prise l'année passée pour diminuer les risques de contamination du COVID-19 dans les écoles. Aujourd'hui encore, l'État du Niger a décidé de la fermeture des centres scolaires pour la même cause. Cette fermeture ne sera sans doute pas sans conséquence, explique les syndicalistes du domaine. Cette fermeture aura pour première conséquence la perte de temps scolaire qu'il va falloir gérer. Notre inquiétude, c'est quoi Il ne faut pas que cette perte de thèse scolaire soit gérée et bâclée de la même manière qu'elle l'a été l'année passée. Nous avons vu, après deux mois de fermeture des établissements, à la reprise, l'État n'a pas mis les dispositions nécessaires, en tout cas de les établissements, pour que si la Covid était vraiment aussi mortelle qu'elle l'est, quelque part euh, que les élèves et les enseignants soient protégés. Heureusement, nous avons été naturellement, en tout cas, blindés contre cette maladie par, euh, par la nature, par Dieu, et euh, on le remercie. Mais les mesures n'ont pas été Maintenant, notre crainte, puisque déjà nous savons que cette Covid n'est pas en train de faire des ravages, et c'est vrai, on est, on, est, on, est, en deuil chaque fois qu'une âme disparaît, qu'un concitant disparaît, quelle que soit la cause, on est éploré. Mais je crois que les l'hécatombe qui avait été prévu n'étant pas arrivé, nous avons banalisé la Covid à, cette, à cet instant. Et vous allez constater dans la ville, dans les marchés, dans les mosquées, il n'y a pas de mesures qui montrent qu'on est, on est par la recrudescence, en tout cas, de cette maladie. Donc, bon, l'État, en tant qu'État, n'aime pas de déclarer que la COVID n'existe plus. C'est normal qu'ils prennent ces mesures. Maintenant, à l'école, est-ce que, après ces 17, après le 1er janvier, est-ce que nous allons constater que l'État est en train de prendre des mesures pour que au retour de l'école, si le, la vague ne descend pas, qu'on dise que c'est conséquent, ces mesures qu'il a prises maintenant, en tout cas, il a aussi pris des, actes conséquents à ces mesures-là les le premier vous dites de, de, sursoir au Renault et au séminaire et vous permettez d'aller dans les marchés, vous permettez de continuer les campagnes. On permet aussi que les écoles continuent. Il aurait été logique après cette décision-là de constater que des dispositifs de lavage de mains, des gels et autres sont en train d'être mis à la disposition des établissements pour qu'on sache que c'est vraiment conséquent. Mais étant donné que euh, déjà nous on banalise cette maladie, nous ne sommes plus inquiétés aujourd'hui par euh, le paludisme, nous ne sommes plus inquiétés par ce rhume qui circule, il pourrait être la COVID, il pourrait être autre chose, mais quand même il n'existait pas auparavant. Nous ne sommes plus inquiétés par la chaleur, par la, la, pauvreté. En fait, euh, je pense que si vraiment il y a des fonds à mettre dans cette COVID, étant donné qu'elle n'est pas en train de nous inquiéter et que nous sommes habitués à vouloir mieux investir ce fonds-là à nous construire des places ou acheter des manuels. Il revient donc au gouvernement de prendre de meilleures décisions afin d'éviter les mêmes conséquences telles que les retards scolaires enregistrés l'année précédente. Et c'est la fin de cette édition d'information sur à Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.